forum district the forum district kalam the forum district kalam the forum district kalam the forum district kalam the forum district kalam the forum district kalam the forum district kalam 18h passé de 15 minutes à Niamey. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangou qui est un espace d'échange et de débat dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Les programmes du Studio Kalangou sont diffusés grâce à un réseau dynamique de 34 radios partenaires qui diffusent en direct les programmes du Studio Kalangou. Chers auditeurs, aujourd'hui le forum est consacré aux accidents grandissants des transports Nigérien, nigériens de voyageurs, cause et entravent à leur rabais. Le choix de cette thématique est parti du constat que nous assistons de plus en plus à une multiplication des accidents, les uns plus dramatiques que les autres. Et pour le commun des Nigériens, les mesures visant à réduire ces malheurs manquent ou butent au laxisme dans leur application. Avec nous ce soir pour développer ce sujet, Abdelaziz Abdou, directeur de la circulation et de la sécurité routière au ministère des Transports. Abdelaziz Abdou, bonsoir. Bonsoir. Avec nous également Amadou Abdou Garba, dit ambassadeur, secrétaire aux négociations du syndicat national des conducteurs routiers du Niger. Amadou Abdou Garba, bonsoir. Notre troisième invité est Aliou Oumarou qui est en ligne. Il est le président de l'ONG Fonday Mabouri. Aliou Oumarou, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir à tous les je rappelle que nous avons invité les représentants de Rimbo Transport Voyageurs et de Sonef Transport Voyageurs, mais ces derniers n'ont pas voulu répondre à notre invitation. Selon les statistiques des services techniques du ministère des Transports, chaque année, en moyenne, 800 personnes meurent dans des accidents de la route. Il y a eu 4036 décès dans 31 290 accidents de la route officiellement recensés entre 2011 et 2015 au Niger. Selon les mêmes services techniques, ces accidents ont également fait 15 392 blessés graves, dont certains handicapés avis. Abdulaziz Abdou, directeur de la circulation et de la sécurité routière au ministère des Transports, que dites-vous de ces chiffres Sont-ils corrects Si oui, quelles sont les principales causes de ces accidents Merci. Donc les chiffres sont corrects. Donc c'est de 2011 à 2016 au lieu de 2015 comme j'ai entendu. Donc les, les, chiffres sont corrects. D'abord, je vous remercie de m'avoir invité pour parler d'un thème très important qui est les accidents de la circulation. On a toujours dit ce thème, les accidents concernent tout le monde, ça concerne tous les Nigériens. Il n'y a pas une famille au Niger qui n'est pas victime d'un accident de la circulation. Donc ce n'est pas seulement l'apanage du ministère des Transports, ça, ça concerne tout le monde, les conducteurs, les tous les usagers de la route, donc les agents du transport, les forces de défense et de sécurité Abdelaziz Abdou, directeur de la circulation de la sécurité routière au ministère des Transports. Selon euh, les statistiques, 70% des accidents euh, corporels se situent en milieu urbain et 80% des accidents mortels en rase campagne. Quelle interprétation sur euh, ces chiffres C'est facile d'interpréter, vous, vous, savez. Donc il y a beaucoup d'accidents en agglomération, mais pas tellement donc euh, de victimes, de victimes corporelles, et je peux dire c'est pas tellement grave en agglomération qu'en nord agglomération. En nord agglomération, il y a moins, moins d'accidents, donc mais ces accidents sont très graves en nord agglomération. Et ceci, ça s'explique par la vitesse. En agglomération, normalement, la vitesse ne doit pas dépasser 50 km à l'heure, quel que soit le type de véhicule. Certains types de véhicules, c'est même 30 km à l'heure. Donc si ces, ces, règles sont respectées, donc euh, les accidents ne peuvent pas être tellement sévères en agglomération. pourquoi on a donc des accidents très graves en hors agglomération C'est dû donc aux excès de vitesse, la vitesse. Les gens roulent très vite en, en hors agglomération, telle façon, quand il y aura des accidents, ça sera très grave et nous avons donc les statistiques qui nous démontrent. Euh, donc on peut dire que donc euh, l'essentiel des accidents graves sont dus aux excès donc de vitesse. Abdelaziz Abdou, directeur de la circulation et de la sécurité routière, est-ce que les conducteurs sont conscients de cette réglementation euh, Bien sûr, les conducteurs sont conscients. toute personne qui arrive à voir le code de la route il doit savoir qu'en agglomération, on ne doit pas dépasser 50 km à l'heure. Et dans le code nigérien, en, agglomération, quel que soit le véhicule, on ne doit pas dépasser 120 km à l'heure. Donc, euh, toute personne qui obtient son permis de conduire doit connaître ces dispositions relatives donc à la vitesse en agglomération et en nord-agglomération. Ces chiffres sont-ils alarmants selon vous Bien sûr, donc, euh, ces chiffres sont alarmants parce que l'OMS dit donc le Niger en 2015, on a un taux de, de gravité de 26,6 décès pour 100 000 habitants, alors que en Europe, on a donc 7 morts pour 100 000 habitants. C'est ce qui prouve que vraiment ces accidents donc euh, sont graves. La situation, ce qui veut dire que la situation est très grave, préoccupante. On doit prendre donc des mesures pour vraiment diminuer donc euh, la gravité de ces accidents. Amadou Abdou Garbadi, ambassadeur secrétaire aux négociations du syndicat national des conducteurs routiers du Niger. Selon les mêmes statistiques des services techniques du ministère des Transports, les conducteurs sont à l'origine de 60% des accidents. Comment expliquer ce comportement qui endeuille de nombreuses familles je vous remercie d'avoir été invité ici sur votre plateau. Ce qui cause les accidents les plus mauvais ici, il y a la dégradation des routes, il y a le non-respect de la côte de la route, il y a beaucoup de laisser-aller, les pannes sans signalisation et le manque de parking et aussi les téléphones au volant. Tout ça, ça nous provoque beaucoup d'accidents accidents dans ce pays-là. Et notre mentalité aussi la mentalité, notre mentalité nigérienne. Notre mentalité, expliquez-nous ça, c'est-à-dire Tu veux chercher ton permis, tu fais normal ce qu'on te demande, mais dès que tu as, ton permis au ministère, il n'y a pas de problème, tu vois, tu, on te recrute sans aucune formation, sans rien, tu vas euh, rouler à trop de vitesse et causer des accidents. Il y a la vitesse, il y a la dégradation de la route, il y a, la, il les téléphones, en plus, euh, les, laisser aller les autorités sur les routes une autorité peut venir maintenant voir les camions en panne, sans panneau, sans rien, et puis il passe comme ça, sans demander le chauffeur, où est le chauffeur, et puis lui montrer qu'il est un homme d'État, et puis lui parler, mettre les panneaux, il n'y a pas. Au niveau des cassis aussi, sans panneau, les cassis villageois là, sans panneau. Il y a beaucoup de cassis sans panneau. Il y a des cassis à 200 mètres seulement, on met le panneau, sans autorisation. Ça nous cause beaucoup de problèmes. Au niveau des gens qui utilisent les charrettes, les ânes, on a des problèmes. Circulent la nuit sans aucune signalisation. Tout ça, ça nous provoque des accidents. Alors, Amadou Abdou Garba, dit ambassadeur, les statistiques montrent clairement que la plupart des chauffeurs qui causent les accidents sont des chauffeurs inexpérimentés, donc euh, très jeunes, alors que par le passé, les conducteurs des transports de voyageurs étaient des hommes mûrs. Quelle réaction avant, les chauffeurs, maintenant, ils font leur travail normal. Ils viennent à l'auto-école faire pour avoir leur permis dans la voie normale. Maintenant, tu, tu prends ton permis sans faire, sans aucune formation, sans rien. On t'engage dans une société. Tu n'as aucune formation. Donc, tu es obligé de faire des accidents. À l'auto-école, au niveau du ministère des Transports, tu fais ça normal. Mais ici, tu n'as aucune formation, bonne formation. Tu as les la possibilité de t'engager et puis tu rentres seulement, tu fais ce que tu veux comme un ancien chauffeur. Il y a des passagers même qui provoquent des accidents. Au niveau du Niamey, vous voyez maintenant à 4 h du matin, 5 h 6 h on laisse au moins 60 bus pour partir, en même temps décoller. Qui va laisser à l'autre Ça là, il faut que les autorités aussi vont voir comment ils vont faire un calendrier pour voir comment ils vont mettre aujourd'hui c'est telle société qui va décoller le premier, demain c'est l'autre, après ainsi de suite, faire un décalage de 20-20 minutes comme ça. Mais en même temps, on les libère comme ça, là, c'est pas normal. Ce sont tubus. Ali Mourou, président de l'ONG Fonday Mbori, comment observez-vous tous ces drames récurrents des accidents de la route euh, ces derniers mois Les morts se comptent par dizaines Écoutez, c'est malheureusement le fatalisme, parce que, comme vous le savez, euh, nous disons chaque fois dans le programme de la sécurité routière au niveau mondial que l'accident de la route n'est pas une fatalité. Donc tout accident est prévisible, donc il est possible de, le prévenir. Malheureusement, le mauvais comportement des usagers, tout ce qu'ils sont, que ce soit les transporteurs, que ce soit les piétons, que ce soit les cyclistes, tous ceux qui utilisent les voies publiques, malheureusement, nous constatons une indiscipline caractérisée qui contribuent à aggraver euh, le nombre des accidents. Concernant, par exemple, les, gros porteurs, tout à l'heure, vous demandiez au directeur de la situation et de la sécurité routière, M. Abdelaziz, comment explique-t-on le, nombre de morts importants en, en campagne, malgré que nous enregistrons plus d'accidents en, en, centre urbain Comment pouvez-vous comprendre, Mokhtar, que le chauffeur du bus qui transporte 70 passagers ne puisse pas avoir suffisamment de repos. Parce que beaucoup d'accidents sont dus au fait que ces chauffeurs-là sont fatigués, sont exploités, mais surexploités, j'allais dire, par ces compagnies de transport. Parce que de la réglementation, aucun chauffeur ne peut conduire plus de 8 heures de temps sans se reposer. Vous imaginez quelqu'un qui a 70 passagers, il fait plus de 12 heures de temps de conduite, mais à la moindre erreur, ben, il va sacrifier la vie de ses passagers, d'une part. D'autre part, il n'y a pas de contrôle. C'est quoi le contrôle Au niveau du ministère des Transports, des réglementations interdisant ces bus-là de sortir avant 6 heures du matin. Mais Mokhtar, allez-y, à la sortie de Niamey, vous allez vous-même voir à quelle heure, à quelle heure ces bus-là quittent Niamey. Il y a des compagnies, à 4 heures, ils convoquent les gens et ils quittent parce qu'ils font la course à l'argent. Pendant cette course, c'est des familles qui s'endeuillent. Pendant cette course, c'est des familles qui s'approvisent et euh, euh, qui s'approvisent définitivement parce que lorsque le père de famille meurt dans nos pays, c'est toute la famille qui sombre dans la pauvreté. De l'autre côté, les forces de l'ordre, notamment la police et la gendarmerie, qui sont au niveau des barrières, ils doivent veiller à ce que ces chauffeurs-là puissent se reposer. Parce que vous, voyez un chauffeur qui a quitté Agadez ou qui a quitté Cotonou vers 19h, 21h. Le lendemain, vous voyez le même monsieur prendre le bus à 4 heures, venir s'arrêter au niveau de, la barrière. Mais il faut l'interdire de prendre le, volant parce que c'est des véritables criminels que nous sommes en train d'entretenir. Ce qui explique pourquoi, ces derniers mois, tous ces accidents qui ont été enregistrés ont été graves parce que plus de 20 morts à chaque fois. Cela est inadmissible, cela est inacceptable. Il faudrait que le ministère des Transports prenne son bâton de commandement et faire en sorte que nous ayons aussi des statistiques fiables. Tout à l'heure, vous avez donné des chiffres. Mais attention, vous allez partir au niveau de la gendarmerie, ils ont leurs propres statistiques. Vous allez à la police, ils ont leurs propres statistiques. Vous allez au SAMU, ils ont leurs statistiques. Vous allez dans les services d'urgence au niveau de l'hôpital, ils ont leurs propres euh, statistiques. Ce qui force les calculs, parce que, vous le savez, nous sommes dans la décennie d'action 2011-2020 pour la sécurité routière, mais dans les piliers, l'un des piliers les plus importants, c'est la collecte Donc une base de données fiable. Vous savez que c'est au niveau du ministère des Transports que le BAC est élaboré. Le BAC, c'est le bulletin d'analyse des accidents corporels. Mais lorsque le ministère des Transports ne, reçoit pas les PV des accidents de la police en milieu urbain et de la gendarmerie à race campagne, vous conviendrez avec moi que nous n'aurions pas de base de données fiable, d'une part. D'autre part, on dit que celui qui est dans un accident, c'est celui qui meurt 30 jours après l'accident, combien de personnes meurent dans les hôpitaux qui ne sont pas comptabilisées Combien de personnes meurent deux semaines après les incidents Une fois même qu'ils quittent les hôpitaux, ils sont chez eux. Nous n'avons pas ces statistiques. Donc il faudrait que nous nous battons pour d'abord créer cette base de données fiable et solide. Maintenant, il faut que la sensibilisation puisse se poursuivre. Il faut qu'il y ait aussi des sanctions. Récemment, je vous disais, le procureur de la République, M. Samna, avec tous les acteurs de la sécurité routière, les médias, les transporteurs, les auto-écoles, pour leur dire que dorénavant la justice va s'autosaisir et jouera pleinement son rôle. Parce que, au-delà des sensibilisations que vous êtes en train de bien faire d'ailleurs, il faut qu'il y ait aussi des sanctions. Une compagnie de transport qui, dans l'année, tue plus de 100 personnes, mais vous voulez que celui-là soit encouragé, mais il faut que ça puisse prendre des mesures de restriction ou des sanctions pour, pour, dernier. pour ces dernières. Mais comprenons que ces compagnies de transport, ils ont suffisamment de moyens et pensent qu'ils peuvent tout acheter. Ils peuvent acheter la loi, ils peuvent acheter les médias parce que les médias aussi, vous êtes témoins souvent. Quand certaines compagnies font des tués, on n'a même pas d'annonce dans certaines chaînes de télévision. Simplement, ils pensent que les publicités, l'argent de la publicité que ces compagnies leur donnent est plus important que de dénoncer leur mauvais comportement. Donc, il faut que nous conjuguons nos efforts pour épargner la vie de ces milliers d'innocents qui meurent chaque jour sur nos routes. Et le pire, c'est que c'est des jeunes. Les, accidents de la route sont devenus aujourd'hui la première cause de mortalité chez les jeunes de moins de 24 ans. Un pays où l'âge moyen est de 14,5%. Nous avons l'un des pays les plus au monde, ce qui est vrai à tout. Mais si ces jeunes-là doivent mourir sur les routes, qui va développer ce, pays Ce c'est pas les, les qui vont le faire la responsabilité aussi du ministère des Transports. Quand on critique souvent les auto-écoles, quand on critique ces jeunes-là qui ont les poids lourds, qui ont les permis de transport en commun, mais qui délivre le permis Ce n'est pas les auto-écoles, c'est le ministère des Transports. Donc le ministère des Transports doit revoir sa copie. On ne doit pas donner des permis de tuer, euh, parce qu'à la limite, c'est des permis de tuer. Un jeune qui ne maîtrise pas le code de la route, vous le voyez avec un permis, mais vous l'autorisez à aller assassiner des gens. Un jeune qui ne maîtrise pas le code de la route, vous le voyez, allez-y dans les fameux vous devez voir des jeunes. Vous vous demandez même s'ils ont atteint l'âge majeur, s'ils ont même 18 ans. C'est eux qui conduisent 19 personnes. Chaque jour, sur la voie de l'aéroport, quand il y a un accident, c'est des bilans très lourds. Il faut que chacun puisse s'y mettre et que nous sensibilisons aussi les compagnies de transport, que nous sensibilisons aussi les syndicats des transporteurs et que le ministère des Transports puisse jouer pleinement, pleinement. Parce que le, le directeur l'a dit aussi, le taux de gravité des accidents au Niger est l'un des plus importants dans l'espace au moins, ce qui est inconcevable simplement parce que nous avons l'un des parcs automobiles les plus faibles. On ne peut pas avoir moins de véhicules que les autres pays du moins et avoir le taux de gravité le plus élevé. Cela veut dire qu'il faut que l'État puisse sévir, que la justice puisse sévir est-ce que la sensibilisation, en tout cas, puisse euh, avoir de l'effet. Ali Oumarou, président de l'ONG Fondé votre ONG, l'ONG Fondé Mobori, avait organisé plusieurs rencontres nationales et internationales par rapport à la prévention des risques euh, d'accident. Est-ce que, euh, en organisant ces rencontres, les responsables des compagnies de transport sont impliqués? Nous avons à l'époque, par exemple, même la première assemblée africaine de la jeunesse sur la sécurité routière, les compagnies de transport nous ont accompagné Certaines compagnies de transport, sans citer de nom, nous ont même sollicité pour venir former leurs chauffeurs. Mais le chauffeur, il ne s'agit pas de le former chaque année, il s'agit de le former périodiquement parce qu'ils ont besoin de recyclage. C'est extrêmement important. Dans beaucoup d'autres pays, Mokhtar, dans beaucoup d'autres pays, lorsque vous avez un permis de transport en commun, chaque six mois, vous devez retourner à l'auto-école pour un recyclage. Mais malheureusement, au Niger, nous avons un avis. à et j'ai vu récemment que le ministère est en train de faire des réformes pour régler cette question. Donc il faudrait que le ministère des Transports puisse exiger, vraiment exiger à ces compagnies de transport une formation périodique de leurs chauffeurs. Sinon, les familles vont continuer à être endeuillées et puis les gens, personne ne s'avoue. Ça ne peut pas marcher comme ça. La vitesse excessive, c'est la première cause de la gravité de ces accidents. Mais lorsque le chauffeur, il prend du tramol qu'il se drogue pour prendre en pensant qu'il peut lutter contre la fatigue, mais c'est la vie de ces innocents passagers qui est mise en danger. Lorsque l'État ne disposera pas des moyens, par exemple, tout à l'heure le directeur parlait de la vitesse, mais quels sont les moyens mis à la disposition par l'État du Niger au ministère des Transports pour contrôler la vitesse Vous savez que pour limiter la vitesse, il faut avoir les, radars pour dire à un chauffeur vous conduisez à plus de 50 km à l'heure en ville ou que vous dépassez les 120 en, en campagne. Mais le ministère des Transports n'a aujourd'hui aucun radar. La police ou la gendarmerie n'a aucun radar. Demandez à Abdelaziz son budget 2018. Je pense qu'il n'a même pas 20 millions pour lutter contre la sécurité routière. Oh, oh. comment l'État du Niger, j'arrive, comment l'État du Niger veut qu'on puisse lutter contre la sécurité routière sans donner des moyens Au Togo, par exemple, la population de du, du Togo, c'est combien euh, de personnes Quand vous allez au Togo, le ministère des Transports, notamment la division la même division qu'Abdelaziz gère, ils ont plus d'un milliard par an pour lutter contre l'insécurité routière. Demandez Abdelaziz ce qu'il a. La dernière fois, je ne pense pas qu'il a eu plus de 10 millions pour faire cette activité. Ça aussi, il faut que nous le dénoncions pour que l'État puisse être mis devant ses responsabilités et accepter de changer aussi de comportement afin que le, le, citoyen aussi puisse changer. Ali Oumarou, restez en ligne, on va revenir dans ce studio pour euh, continuer notre débat. Abdelaziz Abdou, directeur de la circulation de la sécurité routière, vous venez là d'écouter Ali Oumarou, président de l'ONG Fonembori. Quelle réaction Merci. Je vais commencer par le permis de conduire. Il disait il y a des très jeunes qui, donc, euh, qui conduisent compensés qui n'ont même pas donc l'âge de 18 ans pour conduire. Vous savez, le ministère des Transports fait le texte. donc euh, il est au bureau, mais ne contrôle pas les usagers sur la voie. C'est un autre ministère qui contrôle, euh, mais nous, en ce qui nous concerne, nous respectons donc euh, strictement les règles en ce qui concerne la délivrance des permis de conduire et surtout l'âge de 21 ans. Donc, euh, toute personne qui n'a pas donc 21 ans ne peut pas obtenir le permis de conduire de la catégorie D qui lui permet de conduire les véhicules de plus de 9 places, y compris le siège du conducteur. Tout à l'heure, le président de l'ONG Fondain Mbouri Ali dit que euh, ces jeunes ne sont pas suffisamment formés. C'est vrai, donc, euh, nous, à, la délivrance du permis de conduire, il y a le minimum qu'on s'assure qu'ils ont assimilé. Donc, euh, quand ils ont ce minimum-là, donc on leur délivre le permis de conduire de la catégorie D. Mais euh, la formation, le perfectionnement doit être fait ailleurs, parce qu'on a un centre, euh, le CFTR, Centre de transport aux techniques de transport, qui font donc le perfectionnement. Et même, comme il vient de le dire, on va essayer donc de corriger, parce que désormais, quel que soit la personne qui veut utiliser donc le permis de conduire comme profession, donc la conduite comme profession, à part le permis de conduire, il doit avoir un diplôme attestant qu'il a passé dans un centre pour faire un certain nombre donc de perfectionnements pour qu'on s'assure qu'en plus du permis de conduire, il a maîtrisé un certain nombre d'éléments donc euh, lui permettant d'exercer la profession de conducteur. La loi a été adoptée depuis 2014. Le décret d'application a été adopté aussi en Conseil de ministres le 16, le 16 juin 2017. On attend donc la promulgation par le président de la République pour appliquer donc euh, ces nouvelles réglementations que nous pensons vont réduire euh, euh, sensiblement les accidents de la circulation. Abdelaziz Abdou, directeur de la circulation et de la sécurité routière. Sous la Ve République, nous savons que les vitesses des bus de ces compagnies de transport sont limitées. Où en sommes-nous en ce qui concerne la limitation des vitesses Donc, merci. Depuis 2007, il y a un arrêté qui interdit donc les véhicules de, transport urbain de dépasser 100 km à l'heure. À un certain moment, nous le contrôlons mais nous n'avons pas assez de moyens parce que le, le plus souvent le moyen qu'ils utilisent, c'est donc de limiter donc le déplacement de l'accélérateur. Ça, quand on contrôle le véhicule, le dispositif est présent, mais il peut se faire en cours de route. Le, le chauffeur dérègle le dispositif pour avoir plus de 5 km à l'heure. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de sanctions que les chauffeurs euh, se comportent de la sorte Ce n'est pas les sanctions, mais c'est le contrôle. Euh, le ministère des, Transports n'a pas suffisamment les moyens pour contrôler donc euh, pratiquement à chaque grande étape ou bien au niveau donc de chaque chef de lieu tous les bus et à n'importe quelle heure. Vous savez donc euh, les bus de transport de services réguliers interurbains donc ont différentes heures de services surtout ces derniers temps. Nous n'avons pas donc les moyens pour être présents partout pour contrôler donc le, euh, pour contrôler euh, ces bus de transport interurbain. Mais euh, nous, sommes en train donc de réfléchir pour trouver donc des moyens électroniques pour le faire au niveau même du moteur. Donc, quelle que soit donc la pression exercée sur l'accélérateur, ça ne peut pas dépasser 5 km à l'heure. Nous sommes en train donc de réfléchir. Il y a les nouveaux bus de Mercedes qui ont ce système. Il suffit donc euh, de mettre un programme qui, permet à ce que, quelle que soit la pression du chauffeur, le bus ne peut pas dépasser 100 km à l'heure. Pour certains conducteurs comme les Yutong de, Chine et autres, et les autres euh, comme Nissan et autres, nous sommes en train de réfléchir pour prendre contact avec les importateurs agréés de ces véhicules pour trouver un mécanisme donc électronique de contrôler le vitesse. En même temps, donc nous avons nous, allons essayer donc de trouver des moyens aussi, même quand le véhicule donc euh, est immobilisé, de contrôler sa vitesse maxi, donc maximum. Abdou Garba, dit ambassadeur, secrétaire aux négociations du syndicat national des conducteurs routiers du Niger. Tout à l'heure, dans son intervention, le président de l'ONG Fonda Mbouri, Aliou Oumarou, avait révélé euh, quelques faits tels que la fatigue, le laisser-aller dont vous, vous avez parlé. Quelles sont les mesures que votre syndicat est en train de prendre pour lutter contre ce genre de situation? Si, bon, je suis très d'accord avec. Euh, le responsable Fondé Mobori. Et surtout, nous, au niveau du syndicat, on a beaucoup discuté sur la fatigue. Parce qu'un chauffeur qui a fait Niamey-Agadez, tu reviens le lendemain, on te programme encore sur Abidjan. Tu sais que vous tous, les deux chauffeurs, sont fatigués. Donc, des fois aussi, il y a la faute de nos chauffeurs nous-mêmes. Ils veulent toujours être en déplacement pour avoir, les frais de déplacement là. Donc, il y a d'autres, ils ne veulent pas aussi déclarer les pannes pour avoir deux ou trois jours de repos. Ils sont toujours pressés. Donc euh, nous sommes là au syndicat en train de voir comment il faut faire pour des cas comme ça. Est-ce que vous avez déjà réfléchi par rapport aux mesures prises pour euh, lutter contre ce genre de pratiques Même hier soir, nous sommes là-dessus au bureau du syndicat. Donc euh, pour voir comment il faut appliquer ça, il faut réviser ça et puis amener ça à chaque compagnie de transport. Selon les statistiques officielles, le Niger détient plus de 37% du taux des accidents de la route dans les 15 pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Abdelaziz Abdou, directeur de la circulation et de la sécurité routière, quelle réaction face à ce taux Donc merci. Je n'ai pas vérifié ce que vous venez de, de dire, mais dans le dernier rapport de l'OMS, en ce qui concerne la gravité des accidents, c'est-à-dire le taux de tués pour 100 000 habitants. Nous avons donc 26,4 tués pour 100 000 habitants. Donc, euh, nous sommes pratiquement au milieu. Donc, il y a le Burkina qui a presque 30. Il y a le Mali qui est donc euh, en dessous donc des, 26. Donc, ce que vous venez de dire, donc, euh, nous n'avons pas donc, fait ces statistiques pour être d'accord avec les 37% donc des accidents de la route au Niger. Au niveau de la CDAO, au niveau des 15 pays membres Voilà, de la au niveau des 15 pays membres de, la CDAO, mais ce qui est sûr, euh, selon donc le, rapport mondial de l'OMS, où euh, la plus grande partie donc des pays de la CDAO ont fourni leur, leur rapport sur les accidents de la circulation, cette fois-ci, nous ne sommes pas donc euh, les premiers, nous sommes, nous sommes au milieu. Euh, donc ça veut dire qu'un effort a été fait Oui, bien sûr, il y a des gros efforts ont été faits. Si vous prenez donc de 37,7 tiers pour 100 euh, 000 habitants en 2009, nous avons donc en 2015 26,4 tiers pour 100 000 habitants. Vous êtes d'accord avec moi que des grands efforts ont été faits pour lutter contre les accidents de la route. Je peux dire l'interdiction donc de circuler de minuit à 6 heures du matin, donc euh, euh, la limitation donc des, vitesses et aussi beaucoup de mesures qui ont été prises on nous ont permis vraiment donc euh, d'être au milieu en ce qui concerne le cas de gravité des accidents dans la sous-région, je veux dire en Afrique occidentale. Abdelaziz Abdou, directeur de la circulation et de la sécurité routière pour le commun des Nigériens. Les mesures visant à réduire ces malheurs manquent. Du côté du ministère des Transports, quelles sont les mesures prises pour lutter contre ou minimiser les risques d'accidents de la route Comme vous venez de dire, je fais dire que les mesures ne manquent pas, donc, mais ce sont les moyens qui manquent. Nous avons, je pense, que un des plus beaux codes de la sous-région code de la route de la, de la sous-région. Vraiment, nous avons un des plus beaux codes en ce qui concerne donc la stratégie de euh, la stratégie donc de sécurité routière. Je pense que en Afrique de l'Ouest, nous devons être le deuxième pays à avoir une stratégie nationale donc de sécurité routière. Je pense qu'il y a eu des gros efforts qui ont été faits, mais euh, comme vient de le dire Alio Umoru, les moyens manquent. Il y a les moyens vraiment. Vous voulez, vous voulez, quel genre de moyens, par exemple, monsieur le directeur Nous voulons les moyens financiers. Donc, euh, en ce qui concerne euh, donc les actions qui ont été donc mentionnées dans, le, dans la stratégie. Vous parlez des caravanes de sensibilisation des populations et même des, conducteurs comme vient de le dire à Léo donc c'est pas seulement en plus donc des, des, sensibilisations. Il nous faut donc des moyens de contrôle, donc des vitesses, même les moyens roulants. Notre direction n'a aucun véhicule. Donc, euh, toutes les missions sont faites donc euh, sont donc dans nos dans nos propres véhicules ou bien donc euh, on, on, essaie donc de voir le garage administratif pour trouver donc des véhicules pour faire nos missions. Vraiment, je peux vous dire, sans risque de me tromper, les moyens manquent beaucoup en ce qui concerne la lutte contre l'insécurité routière. Le président Aliou Mourou vient de le dire, certains pays à côté au, Bénin, ils mettent des, des milliards. Nous, euh, l'État et ses partenaires, donc ils mettent moins de 300 euh, millions dans la sécurité routière. Vraiment, il faut qu'on revoie donc la, stratégie qui a été mise en place. Donc, va nous coûter pour euh, les 10 années à venir quelque chose donc de milliards. Il faut que l'État mettre donc euh, la main dans la poche, comme on le dit, pour essayer donc de sauver des milliers de vies. Donc on dit la vie humaine est très précieuse. Elle est sacrée. Monsieur le directeur euh, Abdelaziz Abdou, pourquoi après un grave accident, la compagnie est interdite euh, d'exercer les jours suivants, pour ne pas dire dès le lendemain, elle est de nouveau sur la route des pressions politiques selon vous donc, comme vous venez de dire, l'arrêté dit quand une compagnie fait plus de deux accidents en une année où la responsabilité du chauffeur est impliquée, donc la compagnie doit être sanctionnée. Et encore, on ne doit pas prendre donc des mesures à la hâte. On doit attendre donc le PV des forces de défense pour étudier donc comment l'accident s'est passé, pour voir si c'est vraiment donc le, le chauffeur qui est impliqué dans l'accident, toutes ces conditions font que euh, quand on dans la précipitation, on interdit une compagnie donc de, de, transport, ces activités, nous sommes obligés, parce que nous sommes un pays de loi, nous sommes obligés donc euh, de suivre la réglementation, de donner les preuves que la compagnie a violé donc la réglementation. C'est pour cela quand on, on s'est précipité pour euh, prendre des mesures sans, sans, attendre le PV de la gendarmerie, sans voir les statistiques des accidents que la compagnie a fait. Est-ce que le chauffeur est impliqué, la responsabilité du chauffeur est impliquée sans vérifier ces mesures, nous ne pouvons que lever l'interdiction en attendant de voir clair, en attendant de voir le PV de la, euh, de la gendarmerie, en attendant de vérifier les autres PV. Est-ce que les chauffeurs de ces compagnies sont impliqués dans les accidents de la circulation Je ne pense pas que c'est une décision politique, mais nous sommes dans un pays de droit nous sommes obligés donc de respecter nous aussi la réglementation. On dit personne n'est au-dessus de la loi. Monsieur le directeur, en, 2017, par exemple, il y a eu beaucoup de cas d'accidents de la route de la part de ces compagnies. Est-ce qu'il y a réellement eu des sanctions au niveau de, ces compagnies de transport de voyageurs euh, Pour le moment, je peux vous dire, donc, euh, il n'y a pas eu de sanctions parce que nous avons beaucoup de, compagnies. Euh, quand une compagnie fait un accident, donc, on regarde les statistiques. Est-ce que dans l'année, il y a un accident que cette compagnie a fait où le chauffeur est impliqué. La responsabilité du chauffeur est impliquée. n'est pas faire seulement l'accident, mais quand la responsabilité donc du chauffeur est impliquée, la compagnie sera obligatoirement donc euh, sanctionnée en fonction donc des textes réglementaires. Amadou Abdou Garbadi, ambassadeur secrétaire aux négociations du syndicat national des conducteurs routiers du Niger, il semble que les conducteurs des bus ne bénéficient pas suffisamment de repos, vous l'avez mentionné. Ils font de la vitesse, vous l'avez également mentionné, utilisent le téléphone au volant, euh, se dopent, etc. Que répondez-vous Quant à moi, je souhaite euh, que tous les chauffeurs, dès que vous montez sur le volant, d'éteindre tous les téléphones. Un. Secondo, ils n'ont qu'à chercher des repos chez les propriétaires des sociétés pour se reposer. Au moins, si tu travailles 12 heures, il faut avoir au moins 24 heures de repos. Ça peut éviter des accidents. Il faut ici que l'autorité revoie les gens des villages qui font des cassis sans autorisation, sans panneau. Ils n'ont qu'à essayer de nous voir ça. Et puis en plus, de ne pas faire les laisser aller au niveau des transactions. Des transactions, c'est-à-dire de, laisser les véhicules sur les virages, sans panneaux, sans triangle, sans bien serré sur les voies. Et les gros porteurs, vous prenez l'exemple du cas des gros porteurs de Dangote, qui sont sur les routes chaque fois. Vous voyez maintenant en route, vous pouvez rencontrer 20 ou 30 camions gros porteurs. Il y a d'autres qui n'ont même pas de phare sur les voies. Et on, on en a aussi manque de parking, de stationnement sur les voies tout ça là, il faut essayer que les autorités nous voient ça. Tout à l'heure, dans son intervention, le président de l'ONG, Fondain disait qu'il n'y a pas de sanctions au niveau du ministère des Transports. Que répondez-vous Si les chauffeurs font des accidents graves, on les prend les permis, on les sanctionne. Même au niveau des, sociétés, on sanctionne des chauffeurs. S'ils font des fautes, des, accidents graves, on les sanctionne. Donc le ministère fait son travail. Le problème, c'est au niveau de nous, les chauffeurs et les propriétaires des sociétés. Mais vraiment, nous, on n'a pas de problème au niveau du ministère. Mais est-ce que vous avez eu à organiser des séances de sensibilisation à l'endroit de vos membres pour minimiser ou bien pour empêcher les risques d'accident ou bien pour prévenir les cas d'accident Je vous ai dit ça, chaque mois on fait ça deux ou trois fois. Donc au niveau du syndicat, chaque mois on fait deux ou trois réunions sur les cas pareils. Ali Oumarou, président de l'ONG Fondé Mobori, comment réduire considérablement le nombre des accidents de la route mais écoutez, ce que nous connaissions les causes, il faut juste euh, inverser la tendance, réduire la vitesse en milieu urbain et en rase campagne, former suffisamment les chauffeurs de transporteurs euh, en commun, notamment les bus, les gros porteurs, former la police et la gendarmerie suffisamment, renforcer les auto-écoles, renforcer la direction en charge de la circulation et de la sécurité routière, accompagner les médias pour des actions régulières de sensibilisation sur la sécurité routière, parce que quand vous prenez dans beaucoup d'autres pays, tous les jours, il y a des émissions sur la sécurité routière. Mais malheureusement, si la direction de Abdelaziz doit continuer à vivre par an avec 10 ou 15 millions de francs CFA, vous conviendrez avec nous que la tendance va être difficile à être renversée. Impliquer les réseaux de téléphonie parce que dans les pays développés, ces sociétés investissent beaucoup dans la sécurité routière. Au niveau de, l'OMS, des dispositions ont été prises pour que les financements des routes, que 10% soient alloués à la sécurité routière. Quand on construit des routes, 10% soient alloués. Vous conviendrez avec moi que quand on parle de routes, on parle de milliards. Imaginez que ces sociétés-là qui construisent les routes allouent 10% de leur budget la direction de aura suffisamment de moyens pour accompagner les médias, pour accompagner les ONG qui œuvrent pour la sécurité. Parce que nous, ce que nous faisons, nous venons en appui aux actions, aux actions de l'État. La première responsabilité incombe directement aux ONG qui sont là pour accompagner. Maintenant, il faudrait aussi que les jeunes soient sensibilisés. Parce que, comme je le disais en introduction, les accidents sont devenus la première cause de mortalité chez les jeunes de moins de 24 ans. Le coût économique des accidents dépasse largement l'aide publique au développement. Les assureurs aussi doivent investir beaucoup dans la sécurité routière. Imaginez que chaque année, c'est plus de 2 milliards qui est injecté dans le dédommagement des sinistres et autres par les assureurs. Si ces assurances investissent dans la prévention, parce que c'est possible, c'est eux qui vont gagner une valeur ajoutée, c'est eux qui vont beaucoup bénéficier. Mais malheureusement, au Niger, cela n'est pas fait. Il faut qu'il y ait un suivi un suivi régulier. C'est-à-dire que quand une compagnie de transport est impliquée dans un accident, il ne s'agira pas pour les médias, pour l'opinion de fermer la compagnie. Non, il faut mener des enquêtes approfondies. Ensuite, venir rendre compte à l'opinion nationale et internationale les causes de cet accident et les sanctions prises. La police et la gendarmerie sont embêtées par le politique dans l'exercice de leurs fonctions. Il faudra que quand l'enfant de X ou quand l'enfant Y il fait un accident sans avoir un de conduite, c'est qu'il puisse se retrouver en prison que la loi soit appliquée sévèrement sur tout le monde, que la loi soit appliquée mais de, manière rigoureuse, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Il faut aussi qu'il y ait des infrastructures routières sûres. La CAFER prend de l'argent, mais les routes sont mal entretenues. Il faudrait que les routes soient très bien entretenues. Il faudrait que quand les camions tombent en panne, qu'ils prennent le soin de mettre des signalisations. Et lorsque un accident vienne simplement parce que le monsieur qui est dans un camion ou dans un bus est tombé en panne et qui n'a pas mis suffisamment de, signalisation tel que prescrit dans les règlements, ben que ce, dernier soit sanctionné de manière sévère. Que ces villages-là, ces villageois qui se permettent d'installer des cassis à tort et à travers, soient poursuivis. Lorsqu'un accident survient, simplement parce que dans le village X, ces populations Y ont décidé de mettre un cassis sans avoir une autorisation préalable des autorités compétentes, mais que ces villageois-là soient poursuivis. Cela va servir d'exemple à toutes nos populations. Nous avons un comportement néfaste pour la circulation routière. Nous sommes intolérants, nous sommes pressés, nous sommes nerveux. Allez, Mourou, la, la, la, ligne la, ligne est mauvaise. Abdelaziz Abdou, directeur de la circulation et de la sécurité routière. Rapidement, qu'est-ce que vous pouvez ajouter pour un peu minimiser les risques ou les cas d'accident au Niger Rapidement. Ok, merci. Pour minimiser donc les risques d'accident, c'est simple, c'est le respect strict du code de la route. Tous les usagers doivent respecter donc strictement donc le code de la route. Dans ce cas, on va minimiser les accidents de la circulation comme vient de le dire le, président, nous sommes intolérants sur la route. On ne doit pas être trop pressé parce que ça ne sert à rien de se presser pour quitter sans se rendre à destination, Il faut le respect strict donc du code de la route. Votre dernier mot rapidement, euh, rapidement. <laughs> Je demande à tout le monde pour que qu'on fasse comme l'histoire des trois aveugles qui sont partis à la rencontre d'un éléphant. Ils ont mis le, premier a dit l'éléphant à donc une longue trompe, l'autre a dit à une peau, Ils ont rassemblé leurs efforts pour découvrir l'éléphant et c'est la même chose que tout le monde doit faire. C'est pas seulement l'apanage du ministère des Transports. Tout le monde doit réunir donc leurs efforts pour qu'on puisse réduire les accidents de la circulation. Amadou Abdou Garba, dit ambassadeur, comment les compagnies doivent faire pour rassurer les voyageurs rapidement Les compagnies doivent essayer de former leurs chauffeurs, les sensibiliser et, comment dirais-je même, c'est-à-dire les mettre dans de très bonnes conditions. Et les mettre dans de très bonnes conditions envers les repos là. Et si il faut les faire reposer, il faut, il faut faire reposer les, les chauffeurs, les conducteurs. Euh, Tant qu'un chauffeur fait Niamey-Agadez, au moins il faut lui donner une journée repos. Mais dans la conduite, on ne peut pas se reposer. Voilà, euh, nous sommes au terme de ce forum de studio Kalangou. Nous étions avec euh, Abdelaziz euh, Abdou, directeur de la circulation et de la sécurité routière au ministère des Transports. Nous étions également avec Amadou Abdou Garba, dit ambassadeur secrétaire aux négociations du syndicat national des conducteurs routiers du Niger. Nous étions en ligne avec Ali Oumarou, président de l'ONG Fondema Abouri Merci à vous tous de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Prochain rendez-vous demain, même heure, même fréquence sur nos 34 radios partenaires avec une autre thématique. Merci, au revoir.